Je crois que la, situation donc, euh, est délétère aujourd'hui par rapport. aux euh, donc les syndicats, presque tous les cadres ont déposé des préavis de grève. Donc depuis le mois, il y a deux mois de cela. Donc nous, syndicats, nous devons entrer en exercice, donc en mouvement. Aucun ministère, ministre nous, nous a convoqués par rapport à nos revendications. Et on sait que depuis très, depuis très longtemps, donc les accords signés entre gouvernement et syndicats ne sont pas respectés. Aujourd'hui, il y a même des cas, donc, euh, à savoir le cas des fonctionnaires décisionnaires, donc le cas du système de rémunération sur les, pour les salaires. Il y a aussi les, le retard des actes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les lenteurs administratives. Tout ça, euh, c'est des problèmes qui, donc, tressaillent les enseignants question. L'alternative, aujourd'hui, c'est d'aller en mouvement. Donc, c'est d'aller en mouvement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une épreuve de force entre l'État, le gouvernement et les syndicats. Donc, ils refusent de rencontrer certains syndicats. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que les cadres mutualisent leurs forces pour régler les problèmes, tous les problèmes des enseignants, et ensuite retourner dans leurs activités respectives. Le discours, euh, pour nous, n'est pas complet. Donc, il devait dire à la jeunesse réellement, sa politique réellement. Il devait faire, un petit bilan avant de passer aux promesses. Il a promis 300 milliards pour euh, les jeunes c'est vrai. Mais depuis 2012, hein, donc, euh, le chef d'État, donc euh, le chef de l'État devait nous dire qu'est-ce qu'il a fait en matière de politique de jeunesse. Et aussi dans le domaine de la justice. Donc il devait y avoir une séparation. Donc c'est une demande sociale depuis quelque temps. Donc euh, il devait nous dire si aujourd'hui il y a une séparation entre donc le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. njàng mi moom boo ko gisee mooy soubassement wu lépp moo indi lépp problème mu bi moko andi système bi donc aujourd'hui ñun euh, en tant que syndicat donc déposé nañu préavis il y a trois mois deux mois trois mois ci ginnaaw di xaar gouvernement bi woñu pour ñu discuter ci point de revendication yo xamé né mu ngi date ça date de

donc pour jot ce rappel donc euh, problème décisionnaire il dafa am genre fonctionnaire yo donc de les considérer comme fonctionnaires. mais au fond duñu bénéficient, bénéficier comme li fonctionnaire yi bénéficier je pense que fi mu donc comme gouvernement bi ba légui le syndicat yi waxtan ak donc je pense que nous allons vers des moments terribles des grèves Et si on sait que donc euh, élèves yi ñu depuis daw donc pratiquement defuñu bo xajé programme bi donc euh, ben patch bi sax defuñu ko ñu bëgg ñëwaat même année 2021. donc euh, ñu amaat même problème yi donc lolu moy day delloo ginnaw système éducatif bi donc autorité yi war nañ jóg ci lolu waaw discours réetu njiitu réew mi rafetlu nañ ko donc euh, def nañ ko def nako ci moment bi mu ko wara defé waye ñun dañu yaakaar né discours bi des na le président de la république de ak euh, problème am donc euh, si Sénégal problème jeunesse bi mu ñew rek milliards comme ça donc dans un premier temps ñun dinañ ci am ay doute waye waron nañu wax waron na wax jeunesse bi bi mu la def et aussi lecture qui bi parfaitement am wala mu noppi wala ko donc jeunesse bi problème yi len ki du problème emploi seulement donc euh, problème éducation daf ci lawaale